2007. Tout d'abord, au nom de tous les volontaires japonais, je voudrais exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes qui nous sont présentes. Le fait que vous ayez consacré un week-end précieux pour prendre part à cet événement nous touche énormément. Comme samedi, le volontaire du TS a précisé l'ordre d'une dîner d'hier. Nous avons préparé les présentations pour quatre différentes matières sur le thème de l'apprentissage par l'expérience concrète. Afin de partager les bonnes pratiques réalisées à travers la coopération sénégalo-japonaise, particulièrement les activités des volontaires. Ces quatre matières sont les mathématiques, l'éducation physique et sportive, l'éducation proscolaire et l'éducation artistique. L'apprentissage par l'expérience est une procédure d'apprentissage qui stimule la réflexion des élèves et permet d'accélérer les activités de développement chez les enfants. Dans les écoles, les élèves apprennent de nombreux concepts, mais ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de les appliquer à des situations réelles. Cela empêche ainsi de former des liens avec d'autres objets ou concepts. En d'autres termes, l'apprentissage par l'expérience offre l'opportunité aux enfants d'apprendre par la découverte. Il est plus efficace que l'apprentissage passif. À cet effet, nous avons essayé des activités qui offrent aux élèves des occasions d'apprendre par l'expérience en collaboration avec nos homologues sénégalais. Et le résultat a été positif et efficace. Cet atelier a pour objectif de partager nos expériences et d'étudier la possibilité d'application de notre expérience dans nos différents services d'accueil. Notre présentation n'est pas parfaite. Nous entendons par conséquent vos commenter pendant le débat qui est prévu après les quatre présentations pour que tous, ensemble, nous puissions contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages au Sénégal. C'est un événement pour le Sénégal. Nous, Japonais, nous souhaitons le développement du Sénégal. Vous Sénégalais aussi, vous souhaitez le développement du Sénégal. Nous avons le même objectif. Nous attendons une discussion autour du problème, non un débat à court terme. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude pour votre présence. Ibrahim Mafal, l'éducation mathématique volontaire Kaflim. Jerry Jeff, nous sommes ensemble. Merci de votre attention. 自分でプレゼンテーレザクティビティでデディカションフィジックフォージャポンでセットフォア日誌でジェプレゼンテーレザクティビティドゥラフェットスポルティキーサペル運動会でジェホテルデレレディレディカションフィジックオーセネガルでジポンスクリアボークプログラムで gran problema. O p r i m e r gran p r o b l è m e c'est l é d u c a t i o n p h y s i q u e a u s é n é g a l e É r e g u e a u s e c o n d p l a n de Don Record. É, il y a beaucoup de raisons. Mais l'éducation physique est très efficace matière. Donc c'est très important. Donc cette fois-ci, j'ai présenté ラフェッツスポルティブコムヌーボーモチバシオンウレゾンファンエレザンセルモンドンラネデルニエルでオーガニゼでラフェッツスポルティブ運動会アエコールアマドゥマクトゥジャム。でボークルジャポネエデメセットファー deuxième fois. Et les enseignements sénégalais bien travaillent. Donc, dans le futur, espère que les Sénégalais organisent la fête sportive. Et les enfants ont beaucoup de plaisir de sport. Et, et que les Sénégalais développement. dedication physique, I'm not Japan, but the dedication physique, Na solo. Donc, l'année des de sport, de le pour développement de esprit et corps. Donc, pour na ai harebi de le sport va. va, le Je D'abord, je remercie la euh, l'AJICA à remercier donc euh, l'inspecteur d'académie, remercier tous les acteurs à la base pour l'organisation de cette rencontre autour du module partage, euh, l'apprentissage par euh, l'expérience et que par rapport aux deux approches, euh, vous voyez bien que c'est des approches qui se convergent et qu'il euh, s'agira donc nous, en tant qu'acteurs d'éducation et de la formation, de prendre ce qui est positif en eux et essayer donc euh, de l'ajouter chez nous pour qu'on puisse vraiment valoriser donc tout cela au grand bénéfice des enfants que nous avons dans nos, dans nos écoles. Si vous voyez au niveau des mathématiques ou bien quand en, éducation physique et sportive, nous pratiquons chez nous le PCME, eux, ils ont le une de Donc, vous avez bien vu qu'il y a des activités donc, euh, qui se convergent. Et là, à ce niveau-là, il y a bien des approches vraiment qui se ressemblent de part et d'autre. Et il s'agira donc, entre autres, de voir ensemble comment nous pouvons l'adapter en fonction donc de nos réalités dans nos écoles. la compte tenu du fait de leurs vertus, surtout en Bundekai, leurs vertus physiques, leurs vertus euh, physiologiques euh, que l'on retrouve aussi bien dans nos pratiques donc, scolaires que chez eux. Donc euh, il s'agira vraiment d'un bon partage pour que nous tous, ensemble, que nous puissions vraiment valoriser cela dans nos écoles. Dans la mesure où, surtout en, hein, toujours en Yundekai, que j'apprécie beaucoup, parce qu'il euh, il y a l'esprit de solidarité, l'esprit d'abnégation, de discipline, surtout de rigueur, que l'on retrouve euh, dans leurs pratiques donc d'éducation physique sportive. Donc autant de valeurs que nous pouvons vraiment euh, épouser pour que l'on puisse pratiquer dans nos écoles maa ngi tudd Fatmata Diallo IEF euh, Thiès ville tey ndaje bu ñu daje tey mooy partage euh, bonne expérience yi partage de bonne pratique entre Japon ak Sénégal ci wàllu njàngale bi surtout ci élémentaire bi ci domaine éducation physique et sportive bi ak euh, mathématique bi surtout donc gis nañ ne ci ñaari approche yi mën nañu tibb ci japonais yi dolli ko ci suñuy approche pour que vraiment ñu gën a renforcer euh, pratique ci dans nos classes yu gën a fës yi surtout ci éducation physique et sportive bi euh, j'appelle bi discipline bi ensuite euh, esprit vraiment de solidarité bi ak socialisation bi parce que gis nañ ne léegi xale yi ci kër yi amuñu parents yi amaguñu amuñu temps bu béré pour ñu mëna occuper wu sen doom yi mais que école bi wara mëna compléter à travers discipline yoy pour que vraiment yoyep yëpp ñu mëna a xalé bi njëriñ askan bi